Wolf, acte 2. C'est tout de suite et maintenant sur cette émission. Flo, laisse couler le beat. Je voudrais qu'on cause un tout petit peu de tes œuvres artistiques. Laisse couler, laisse couler, laisse couler le beat, s'il te plaît, Flo. J'ai envie de causer sur ce beat, ouais. Flo. Je te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. J'espère que tu peux être la forme. C'est un grand plaisir pour moi d'être au studio en ta compagnie pour parler cette fois-ci de NIF 69-14, pour parler un peu de tout ce que tu as réalisé. On peut peut-être avoir une idée. 909-14. On t'a vu évoluer au sein de cette formation. Vous avez quand même coordonné avec Founo. Founo c'est un qui a coordonné comme pas possible. Eh, pour rappel, c'est lui hein, qui a chanté avec son groupe. Parlons de 909 914 914, c'est un groupe de trois personnes, euh, y compris moi, Flo, Nasser et The Best. Donc, euh, on a beaucoup fait de chemin et ça continue toujours malgré qu'on est en pause on a toujours l'espoir de revenir pour présenter à notre public quelque chose de dingue. Vous avez déjà enregistré un album, c'est ça Oui, on a déjà un album. Et plus même, parce qu'il y a des singles qui sont là, qui sont même pas sortis. <laughs> Alors on va mettre une petite pause, parce que nous sommes au studio, on a la possibilité de kiffer à tout moment un son de cette formation. Alors on va commencer d'abord par un son qui quand même a cartonné comme pas possible, qui a fait la fierté, bien sûr, de notre euh, musique. On est-ce qu'on peut avoir le son parce qu'on est au studio Tu l'as en principe. Alors tu peux peut-être nous programmer un truc où nous c'est pour qu'on puisse ensemble, euh, n'est-ce pas, faire plaisir à la jeunesse nigérienne euh, qu'on a vu euh, d'ailleurs au concert de Barakira, j'ai vu les jeunes qui dansaient sur, en tout cas ce sont au concert de Hakim pareil, en tout cas à tous ces concerts j'ai vu des jeunes qui se rappellent toujours de ce son, qui cartonne et qui continuent à cartonner pour leur donner aussi espoir et leur dire que vous allez dire de notre venir. On peut avoir un nouveau réessai. Vous nous verrez. C'est Segede, segede, segede, segede, segede. Huno, kwe huno boraise. Hey, huno, kwe huno boraise. Dégagez, dégagez, dégagez, huno dégagez, dégagez, dégagez, dégagez. Kwe huno boraise. Birkete waimo, birkete, birkete armo, birkete. Oh, Alestin, donc, c'était le groupe euh, dans lequel tu as évolué. On t'a connu avec 1914. Alors aujourd'hui, tu avances et tu évolues euh, seul parce qu'on t'a vu aussi chanter. On sait aussi que tu as euh, un, album en cours. Parlons un peu maintenant des œuvres de, de l'artiste Flotti. Euh, parlant de mes œuvres, j'ai déjà fait un album que je ne suis pas vraiment satisfait. C'était quoi l'album C'est mon parcours. Donc maintenant, je fais un autre album j'ai pas encore le titre de l'album, mais j'ai réservé une grande surprise pour euh, mes fans. D'accord, super. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir quelques tubes de l'artiste Parce qu'on t'a vu aussi chanter, euh, n'est-ce pas, Tere, Tere, Tere, un certain nombre, d'entre cas, de chansons qui ont marché euh, et qui, comment aussi, a fait bouger la jeunesse nigérienne lors des grands concerts. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée un peu de, ça, de ton parcours et de ton album Oui, bien sûr. Ok. Avant de Tere. C'est quoi le concept Le concept, c'est un truc que Toufan a sorti, mhm. un son que Toufan a sorti, qui a bien marché. Donc, euh, je m'amusais au studio et ça donnait ce que ça donnait en Zarma. Donc, euh, on a décidé de faire sortir ça, moi, avec mon staff. Et c'est comme ça que c'est parti, avec le clan du studio. Super. Et en dehors de ça, quel autres sons de Flottier a marché euh, Après ça, j'ai rien fait comme son je me suis concentré à faire euh, mon album et que je vais sortir bientôt. Super. Alors l'album, ce serait un album déjà de combien de titres un album de 10 titres. Un album de 10 titres se prépare, les gentlemen. Parlons cette fois-ci de beatmaking. Parlons un peu de tes œuvres. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tu as fait bouger le Niger, tu as fait bouger l'Afrique. Ah, beaucoup d'artistes se sont produits au sein de ce studio. Parlons un peu euh, du nombre, déjà, d'une idée de, de, de, de, beatmaking ou de son que tu as quand même ici concocté dans ce studio. Parlons un peu de ça. C'est une idée euh, des, milliers, des milliers <laughs> Des C'est tout ce qu'on peut dire. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mr. Flo. Nous sommes à la fin de cette rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Tout ce que tu as au fond de toi, c'est de ça que nous avons besoin sur cette émission. Euh, ben, ce que je veux dire, déjà j'invite les gens à aller sur euh, ma page Facebook, euh, de s'abonner et de pousser des trucs de j'aime pour que je puisse alimenter ma page. Donc ma page c'est Floti Niger. Et mon compte YouTube aussi, c'est Flotti Niger. Donc pour le moment, la galerie est vide, mais bientôt ça va être rempli. Bien sûr, bien sûr. Et où se situe exactement le studio Flo euh, Le studio Flo, c'est au sein du CFPM Taya, euh, non loin du CCOG, donc juste à côté. à travers ça aussi, je profite d'Andy sur ton émission euh, pour parler d'un sujet qui fait un peu la peau. Exprime-toi, exprime-toi, c'est ça au fait euh, voilà. l'objectif de cette euh, Récemment, les gens m'ont vu d'un mauvais œil avec euh, l'artiste chocolaté. Elle a signé dans le label Flow Wolf. Et il y a des rigueurs dans le label Flow Wolf, ce que beaucoup de gens n'ont pas compris jusqu'à ce qu'ils ont quitté le label Flow Wolf. Donc, elle a fait un autre contrat à notre insu. Or qu'elle est signée dans le label, elle est partie faire un contrat de cachet sans informer le label. Donc moi j'ai exposé le problème au sein du label. Donc euh, mes, partenaires et ceux qui sont au sein du label. L'équipe Oui, l'équipe du label, ils ont décidé de suspendre le clip de chocolaté jusqu'à nouvel ordre. Donc si c'est bon, ça passe au cas où c'est pas bon je pense qu'on va trouver un autre euh, issue, ou bien on suspend le contrat, on la donne son clip, elle fait de son clip ce qu'elle veut. Mais pour le moment, on a suspendu le clip, c'est vrai, au sein du label, le clip ne fait pas partie, elle a payé son clip, on est d'accord, mais le problème qui est là, tu ne fais rien en dehors de ton label. Ton label doit être au courant de tout ce que tu fais si tu veux que ça parte dans les normes internationales. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose. L'article 1382 du Code civil applicable au Niger. Et les conventions légalement unies tiennent les deux lois à ce qu'ils ont fait. C'était donc euh, euh, les, les, paroles de l'artiste Oflo T. Niger sur l'artiste s'exprime. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'artiste s'exprime. Et...